auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Dès ce mardi 22 août 2023, au micro c'est Fanta Chamsou et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mariam Adey. À la technique, c'est Amina Hassan et Adama Dawaki. À l'édition, bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi Ça va aussi, Alhamdulillah. Super, alors quel est le menu du jour Comme d'habitude Mariam, il y aura le flash d'information, la page sport et le loti du jour. Et comme chaque mardi, nous aurons une rubrique santé nous ferons aussi un tour à Agadez pour parler de l'autonomisation de la jeune fille. De la rubrique entretien du jour, Asmouna Obakra a rencontré M. Abdurrahman Tourawa, le maire de la commune urbaine d'Agadez, sur les problèmes auxquels est confrontée sa commune. Et en musique ce matin, Mariam, nous allons faire un saut dans les années de la Samaria, car la playlist du jour fera le tour de quelques musiques cultes qui ont animé cette époque. Chers auditeurs, nous entamons cette édition avec les flashs d'information présentés ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mariama Adé, bonjour Fanta Chamsou. le flash d'information à présent dans un point de presse qu'il a animé hier lundi 21 août, le procureur général près la cour d'appel de Niamey, Mazou dit avoir constaté la surveillance et la persistance des publications sur les réseaux sociaux et les médias d'articles d'un type nouveau tendant à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale du Niger. Euh, c'est pourquoi a-t-il annoncé, le parquet général a instruit les procureurs de la République, celui de Niamey et tous les autres assurant les fonctions du parquet d'engager sans faiblesse aucune des poursuites contre toute personne qui se livrerait à de tels agissements et ce dans le strict respect de la loi. Au Niger, les inondations ont occasionné la mort de 31 personnes, dont 8 par effondrement, 23 par noyade et 35 blessés, selon un bilan établi hier lundi 21 août par la Direction générale de la protection civile. Au cours de ces inondations, 88 516 sinistrés répartis dans 10 414 ménages ont été enregistrés par la Direction générale de la protection civile la région la plus touchée par le nombre de pertes en vie humaine est Tawa avec 9 décès, suivi de Maradi avec 8 et la région de Zander ayant enregistré 6 décès, rapporte la même source. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, a signé dimanche 20 août un décret portant nomination du secrétaire permanent du CNSP. Au terme de ce décret, le colonel Sahabissani est nommé secrétaire permanent du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec rang et avantage de ministre. C'est tout pour euh, le flash d'information de ce mardi 22 août 2023. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin dans la rubrique Entretien, notre reporter Asman Aboubakar a rencontré Abdourahman Tourawa, le maire de la commune urbaine d'Agadé, sur les problèmes auxquels est confrontée sa commune. Mais avant d'en venir à cet entretien, nous allons écouter la première musique de notre playlist Pyramide traditionnelle. Il s'agit de Doka de jeunes filles des Mayaï. 三姐。 chanson les plus populaires de la troupe des jeunes filles de Mayaï. Cette chanson évoque non seulement l'importance du respect des lois, mais aussi toutes les valeurs du patriotisme et du civisme. Mariam, il faut aussi noter que cette troupe a été dirigée par le fait Abdou Anko. De son vrai nom, Abdou Naino, Anko est né vers 1940 à Loda, de la commune de Mayagi, enseignant de formation et virtuose d'incroyables talents artistiques, ses nombreuses œuvres culturelles et artistiques ont été à plusieurs reprises primées tant au Niger qu'à l'extérieur. Après sa mort en 2010, la maison des jeunes de Mayagi porte son nom. chers auditeurs, après cette belle chanson remplie de bons conseils, nous allons passer à l'entretien du jour. Nous l'avons dit plus haut ce matin, notre reporter Asmana Aoubakar a rencontré Abdurrahman Atourawa, maire de la commune urbaine d'Agadeza. Plusieurs questions sont évoquées. Écoutons plutôt. Monsieur le maire, bonjour. Présentez-nous la ville d'Agadez. La commune urbaine d'Agadez, c'est la ville historique, carrefour entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. C'est la capitale régionale. C'est vraiment le centre géostratégique de plusieurs activités et actions au niveau de l'Afrique euh, subsaharienne. La ville d'Agadez est sur un territoire de plus de 900 km avec une population estimé à 166 000 habitants avec la projection sur le recensement général des populations 2012, mais en réalité avec plus de 300 000 habitants liés à la migration interne et externe. Parlez-nous du recouvrement des taxes au niveau de la commune. Vraiment, c'est une question très importante, puisque quand vous voyez en deux ans et demi d'activité, nous sommes à un niveau de confiance des populations. Nous avons pu créer une confiance au niveau interne pour avoir des recouvrements pouvant nous permettre de prendre en charge sur fonds propres la plupart de nos activités. C'est vrai que nous avons une évolution puisque les bilans de 2022 nous amène à une réalisation sur les PIA à hauteur de 5,7 milliards sur les 12 milliards donc, qui ont été programmés. Et sur le plan budgétaire, nous étions à une exécution de plus de 2 milliards, soit à, à peu près 47% de programmation. Cela est lié à un effort exceptionnel qui a été déployé en 2023, nous sommes sur un plan de euh, mobilisation des ressources et de catégorisation des taxes à tous les niveaux et l'emploi ou l'application de nouvelles stratégies de recouvrement basées sur les méthodes de proximité. Et monsieur le maire, comment s'est fait la cohabitation entre les autochtones et les migrants quand on sait qu'aujourd'hui Agadez est une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord l'Europe. Agadez est devenue une ville cosmopolite. Je disais tout à l'heure que à peu près deux tiers de la population est flottante. Elle est composée des migrants externes et internes, surtout aujourd'hui avec 90% des migrants internes. Avant, c'était la migration externe qui peuplait la ville, mais aujourd'hui, c'est des Nigériens, comme vous le dites, des autres régions qui sont en majorité attirés par les activités d'orpaillage, par l'économie locale basée sur les productions agricoles, par la stabilité aussi. Vous savez qu'Agadez constitue un havre de paix. Donc nous sommes une zone où il n'y a pas assez d'insécurité. Toutes ces raisons font en sorte qu'il y a beaucoup de Nigériens qui viennent. Donc qui dit deux tiers des populations flottantes, donc dira des mesures de résilience. En plus donc des facteurs démographiques, nous avons les facteurs climatiques. Agadez connaît donc des impacts sur les changements climatiques qui arrivent souvent à agir sévèrement sur les systèmes de production, les productions agricoles et les productions pastorales. Vous allez voir souvent toute une économie anéantie par une inondation, que ce soit économie sur les plans de production, puisque les systèmes de production et tributaire des nappes phréatiques autour des berges. Nous avons de grandes vallées non protégées où il n'y a pas de digues de protection et qui sont sur des inclinaisons compromettant souvent sur les trois ans, donc des années de compromission. Tout cela concourt à des systèmes de vulnérabilité autour des systèmes de production actuels. Il faudra des résiliences, il faut l'appui de l'État et des partenaires pour essayer de voir comment restaurer un système de cohésion sociale entre les communautés et surtout asseoir cette euh, cohabitation pacifique qui est l'objet de la question que vous venez de poser. Aujourd'hui, on sait qu'Agadez est confronté par un fléau, celui de la consommation de la drogue par la jeunesse, notamment les jeunes filles. Qu'en est-il de cette question La drogue, vraiment, nous sommes euh, un centre important de consommation. Comme vous l'avez dit, la jeunesse vraiment est assujettie à cette consommation de la drogue. Et à l'origine, les jeunes prenaient des chichas qu'ils considéraient comme des cigarettes euh, avec un système moderne de consommation. Et à travers les bouteilles de chicha, les gens créaient plusieurs types de drogues d'après les experts dans ce domaine, il y a plusieurs types de dérivés de drogue qui sont en consommation dans la commune d'Agadez. Et les consommateurs sont pour la plupart des désœuvrés. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des mesures qui ont été prises ou bien il y a des, centres de réinsertion C'était notre souhait au niveau de toutes les autorités administratives ou coutumières la création des centres de désintoxication. Nous sommes en train de lancer des plaidoyers auprès de l'État et des partenaires pour que ces centres voient les jours. C'était Abdraman Tourawa, le maire de la commune urbaine d'Agadez, au micro de Asman Aboubakar. Avant de revenir à cet entretien, chers auditeurs, faisons une autre pause musicale, toujours dans le thème de la Samaria. Cette fois-ci, nous vous proposons son nous, son nous, quoi chanson des années 80 qui, au rythme des tam-tam, fait loge de notre pays, le Nigeria, tout en rappelant aux Nigériens l'importance de se mettre au travail pour développer le pays. Cette troupe Mariam a été dirigée par Feu Oumarou Haderi, l'une des plus célèbres mais aussi l'une des plus grandes icônes de la culture nigérienne. Feu Oumarou Haderi, qui n'est plus à présenter, à des son vivant fait rayonner la culture nigérienne. Il a rendu l'âme le 11 janvier 2023 et à son âme. ka mu akwai ಬೇಗೆ ಯಾ Chers auditeurs, après cette belle chanson, poursuivons avec l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, le maire de la commune d'Agadez, Abdurrahman Tourawa, évoque quelques atouts de la région d'Agadez. Il est au micro de Asman Aboubakar. Le site de la Flamme de la Paix se trouve aujourd'hui dans votre commune. Qu'en est-il de la valorisation de ce site qui symbolise la paix et qui est un monument historique au niveau de votre région Voilà le site euh, de Flamme de la Paix. où Nous avons un monument historique qui n'est pas du tout utilisé comme ça se doit. Parce que ça devrait être, comme vous le dites, un symbole. Ça devrait être un site fréquenté par les scolaires, par les visiteurs, les touristes et toutes les personnalités qui viennent à Agadez. Ce centre doit être un symbole historique, puisque c'est un symbole de cohésion sociale, donc de fraternité entre les fils de la nation. C'est un symbole où quand les visiteurs viendront à Agadez, trouveront l'historique des différents conflits, des différentes rébellions qu'il y a eu et les processus des différents accords de paix pour que ça soit un outil utilisé par l'ensemble des communautés et faire école à l'extérieur. Le Corée de Talois traverse la commune urbaine d'Agadez et à des occasions le Corée déborde de son lit. Est-ce que des aménagements ont été faits sur ce site Le Cori Télois est vraiment le poumon d'Agadez, puisque, comme on l'a dit, l'Égypte est un don du Nil. Agadez est un don du Cori Télois. Tout à l'heure, je vous disais que les sources d'eau, donc c'est les nappes alluviales qui sont autour de ce Cori. Euh, il y a plusieurs projets qui sont en cours et qui sont en train de faire une étude de l'approche bassin versant pour faire des ouvrages assez importants qui vont valoriser en amont au niveau de la commune et en aval, créer donc des systèmes de production efficients. À travers plusieurs études, donc sur l'approche bassin versant, la vallée de Teloa est devenu une référence. Présentement, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train de s'installer et qui suivent les études qui ont été faites, qui se servent des résultats de ces études pour une efficience de leur activité. Monsieur le maire, qu'en est-il de la question de l'artisanat dans votre commune La région d'Agadez est une région de grande production artisanale. Nous avons un artisanat riche et varié et nous avons des produits qui sont recherchés à travers les quatre coins du monde. La situation sécuritaire autour de la sous-région a fait en sorte que le tourisme n'est plus viable au niveau de toute cette bande sahélo-saharienne, ce qui a significativement réduit euh, la valeur artisanale. Cependant, nous avons aussi les usagers ou les consommateurs internes. Agadez est connu sur plusieurs domaines de l'artisanat, allant de la forge, maroquinerie, euh, bijouterie, des Nigériens comme des étrangers quand ils viennent. Donc, ils trouvent un artisanat très riche, très variant et qui constitue des objets de souvenirs. Et comment les producteurs aujourd'hui arrive à gérer la surproduction agricole au niveau de votre commune À ce niveau, il faut que la direction régionale de l'agriculture crée des systèmes de contrôle, des comptoirs de régulation des productions. Il faut stabiliser les prix et sécuriser les productions au niveau local presque toutes les spéculations. Agadez est la seule zone géo-écologique au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui peut produire des loyaux en période pluviale. Et loyaux constitue vraiment de l'or pour la région d'Agadez. C'est de loin pour nous la spéculation la plus rentable la plus importante pour euh, la région et qui régénère assez de revenus aux producteurs. Vous voyez, à travers l'oignon, il y a du comptoir stabilisation des prix qui prennent de plus en plus forme. Pour les autres spéculations, les malochia, l'ail, les courges, les pastèques, donc euh, les, produits des maraîchages, l'arboriculture fruitière. Nous avons plusieurs spéculations sur lesquelles donc, euh, des efforts doivent être fournis pour euh, stabiliser les prix puisque les producteurs sont dans les postures d'avoir euh, une grande économie liée à cette productivité agricole. passons à présent à la rubrique santé de ce mardi. Eh oui, Fanta, aujourd'hui nous allons parler du goitre, une maladie de la glande thyroïde qui peut être génétique ou, liée à une carence en iode. Docteur Abdurachid Isaka, médecin généraliste, nous en dit plus. Il est au micro des Zenob Abdou. Docteur, qu'est-ce que le goitre pour parler du goitre, on doit faire un petit rappel sur euh, la glande thyroïdienne. La glande thyroïdienne est une glande endocrine. Elle régule chez tous les vertébrés. Elle permet la régulation de certains systèmes hormonaux. Donc, euh, elle permet la sécrétion de, certaines hormones telles que la, T3, la triiodothyronine et la thyroxine, la T4, la calcitonine. Cette glande est située au niveau de la face antérieure du cou. Le goitre, c'est une augmentation du volume de cette glande. Donc, euh, elle peut être visible ou non selon le stade. Cette augmentation du volume de la glande thyroïde peut être euh, normale et transitoire dans certaines situations particulières. À certains âges, par exemple lors de l'adolescence, vous pouvez remarquer que cette glande, elle croît. Ou bien lors de la grossesse, chez certaines femmes, pas chez toutes les femmes. Il y a ce qu'on appelle un goitre euh, endémique qui est fréquent euh, dans le monde et est lié à un déficit en donc euh, dans certaines parties du monde où euh, la supplémentation annuelle n'est pas effective, donc euh, il y a une endémie qui se vit là-bas. Chez certaines personnes particulières qu'on peut retrouver le goitre, souvent est peut-être familial, environnemental, peut-être acquis. Donc la plupart des, des goitres sont bénins. Quelles en sont les causes donc le développement du goitre, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la glande thyroïdienne, représente une réaction d'adaptation des cellules qui constituent la glande thyroïdienne, qu'on appelle les cellules folliculaires de la thyroïde. Cette augmentation de, volume est une réponse à des stimuli divers, principalement tous ceux qui bloquent la production hormonale au niveau de cette glande. Principalement, c'est une carence en iode, donc euh, une carence en hormones et facteurs de croissance les troubles inflammatoires et auto-humains. Elle peut être aussi liée à des facteurs génétiques, soit individuels ou bien familiaux, peut être liée à l'alimentation et à des produits qui sont guatrigènes. Ces produits entraînent la survenue du goitre ou bien, de façon indirecte, elle diminue la production d'hormones thyroïdiennes. Ces produits peuvent être soit des aliments ou des médicaments. Donc, parmi les aliments, nous avons le chou, le brocoli, la moutarde, les radis, le manioc, la patate douce, les soja, l'arachide, le millet. En ce qui concerne les médicaments, nous avons les sels de lithium, la le tabac est un facteur de risque du goitre. Quels sont ces symptômes D'abord, le diagnostic même du goitre repose sur la palpation lors de l'examen clinique. Donc, la palpation du cou, le médecin évalue la taille et les caractéristiques euh, donc euh, de cette glande thyroïdienne. Donc, il recherche également un éventuel impact sur les organes du voisinage. Par exemple, on peut trouver une dysphonie, une dysphagie ou bien une dyspnée. Euh, il y a des examens qui sont nécessaires pour permettre d'étayer ce diagnostic. Entre autres, nous avons l'échographie de la région cervicale. Nous avons aussi la scintigraphie thyroïdienne qui permet de poser et de confirmer le diagnostic il y a aussi certains symptômes qu'on peut retrouver comme la perte de poids, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la constipation, la frilosité qu'on peut retrouver chez certains patients. Comment prévenir le goitre Le maître moyen pour prévenir le goitre, c'est la supplémentation en iode. Donc dans certains pays, en fonction des pays, et de leurs particularités alimentaires. Donc l'iode est intégré dans la nourriture ou bien l'aliment le plus utilisé dans nos pays, c'est dans le sel. Quelles sont les complications qui peuvent survenir La plus fréquente est liée à l'apparence, donc c'est des complications liées à l'esthétique du goitre. Enfin, il peut aussi y avoir, dans de très faibles cas, des nodules qui peuvent devenir euh, cancéreux. Comment se fait le traitement Pour un goitre simple, donc peu volumineux, l'abstention thérapeutique peut être associé à une surveillance. Euh, donc le traitement repose essentiellement sur l'évolution et sur la cause du goitre, donc de son type, sa taille, l'existence de comorbidité et de ressenti du patient. Donc euh, nous avons parlé d'esthétique tout à l'heure. Donc ça dépend de l'appréhension même du, patient. Dans le traitement, il y a l'apport en iode exogène si l'éthiologie est une carence en donc euh, un apport en hormones thyroïdiennes lorsque l'éthiologie est due à un blocage de production d'hormones thyroïdiennes. Il y a aussi l'administration d'hormones antithyroïdiennes de synthèse, donc en cas d'hyperthyroïdie, donc si c'est l'hyperthyroïdie qui en est la cause. Voilà, chers auditeurs, c'était Dr Abdel Rachid Issaka, médecin généraliste au micro de Zainabou Abdou. Mariam, nous allons à présent passer à notre troisième choix musical du jour. Il s'agit de Un Oua par la troupe de jeunes filles de Ngoudou Hatami. Cette belle chanson est l'œuvre des jeunes filles de Matamé, une célèbre troupe qui, à travers ses diverses chansons aussi parlantes les unes que les autres, a bercé l'enfance et la jeunesse de plus d'un. Cette belle chanson, Mariam, que nous dédions d'ailleurs à toutes les mamans qui sont à l'écoute, fait l'éloge des mères et rappelle aussi l'importance d'obéir et d'être bienfaisant envers ses parents. Elle a été reprise par plusieurs artistes, dont Safiat et aussi la chorale universitaire. reportage à région de ce mardi, nous allons faire un tour à Gadez où l'une de nos équipes, de nos équipes a rencontré la présidente d'un centre de jeunes filles formées sur plusieurs activités entrepreneuriales, dont la couture, le henné. Il s'agit de Ramatou Jibrila, elle est au micro de Adam Saru. Ni ce ta matasa na garin Aladab. Mun yi formation ta coiffure, mun yi formation ta dimkin dara, mun yi formation ta tela. Me da ne kuke a cikin wannan santar ɗin naku na aikin hannu? Akwai wanda suke iya yin dimki, zane da riga, kaya dai wanga na sa, akwai kuma masu dimkin ruwa Akwai kuma wanda ya shafi kwafir sanu da kwafir ana wanke kai ana yin makesh duk muna yi ko masu zowa su ce mu musu sai mu musu sai mu saida musu shine yanzu inda muna da kayan aiki da muna iya murke mutane da yawa ma bisa waɗannan abubuwan murke kano masu mana amfani to rashin kayan aiki ne kawo sai dai ayi kaɗan mutum ya zo ya sai kaɗan shi kenan inda muna da kayan aiki da dukkan mu 35 inda muna iya kama kowa yaran kai a yi dimkin dara wasu su rike tela wasu su rike salon da kwafirkin kuma da lalle a koma su saboda idan amurka sun zo na a masu su suna musu lalle shine abin da aka da kuma kiso duka sana'a mu ci aiki so su dai ne muke haka nan yanzu mutum yace na son dara sai mun mun so da zare mun so tisi in mutum yace na son kwafir sai mun tai kasuwa mun so sannan mu zo mu mishi sannan kuma in mutum yace na son lalle shi ma sai an so sana'a mishi babu so a je yanzu inda akwai da ba sai an tai an so ba shine muke bukata a kawo mana baran kayan amfani da su wasu irin masaloli ne kuke fuskanta sai da matsalar mu guda ne muna da wurin aiki mai bamu da kayan aiki mu da mun kai farmasiyan kin mun kai mu talatin zuwa arba'in hakan ga wasu sun wace har muka yi mu talatin da biyar da hakan wanda yake dai muna nan da har yanzu rum ppr ne ta yi farme kim wani kira gare ku zuwa ga shugabannin mu shine muke bukata a tallafa mana da kayan aiki mu samu mu rike kanmu saboda ba karatu muke ba da wannan aikin da muke yi in mu samu kayan aiki Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Passons à présent à la page du sport avec notre chroniqueur du jour, Gourouza Hassoumi Karim. Bonjour Gourouza. Bonjour Mariam, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons découvrir une discipline méconnue des Nigériens. Oui Fanta, c'est un sport qui a été créé vers le début du XXe siècle en Russie. C'est d'ailleurs l'armée rouge russe qui pratique cette discipline d'autodéfense. Le sambo. Oui, le sambo. C'est un art martial qui se pratique comme le judo. Et c'est vers les années 1930 que cette discipline a été vulgarisée en Russie. Au Niger, c'est tout récent que le sambo est venu, car la Fédération nigérienne de sambo a été créée le 8 mars 2016. Elle compte actuellement 8 ligues à son actif. Et d'ailleurs, le Niger a eu plusieurs médailles sur le plan africain, dont deux en or. Maître Alzouma Amidou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de Sambo, qui nous parle des types de Sambo qui existent. Il est au micro de Salamat Kadri. Donc, euh, c'est un art martial d'origine russe. il se pratique, euh, c'est un sport individuel. il se pratique euh, comme le judo. C'est une lutte entre deux personnes. Donc, euh, il y a les projections, il y a les immobilisations. Euh, en fait, il y a deux formes de compétition de sambo, jusqu'à trois formes d'ailleurs. Il y a le sambo sportif, qui ça c'est juste la lutte il faut que je sois lutter pour projeter, immobiliser, appliquer des clés, des jambes, des bras. Et la deuxième forme de compétition, c'est le sambo combat. Le sambo combat, c'est mélanger avec le premier. Sauf que avec le premier le Sambo, avec, la lutte, euh, projection autre, on a ajouté les clés, les, coups de jambe, coups de pied, coups de poing, avec euh, projection, tout comme euh, un peu comme le MMA, mais c'est pas le même règlement. Euh, il y a aussi la troisième forme de sambo qu'on appelle le beach sambo. Le beach sambo, c'est un sport ludique qui se pratique dans le sable, donc euh, qui peut se pratiquer partout. Et c'est juste euh, là aussi, c'est la lutte. À la plage, on fait entre deux personnes. Le premier qui projette, il gagne vraiment voilà c'est quoi le sambo. Et eh, voilà, et eh, Fanta Mariam, eh, c'était là le secrétaire général de la FENI Sambo, maître Alzouma Medou, qui est au micro de Salamato Kadri. Nous avons encore, on a découvert euh, le sport, le, sport, sambo. Et à la prochaine. Merci, Merci Gourouza. Merci beaucoup. Et à bientôt. Chers auditeurs, il est temps aussi de faire une autre découverte. Cette fois-ci, nous allons découvrir notre étoile du jour. Eh oui, Fanta, il s'agit de Omar Leko, habitant du département de Tessawa, région de Maradi. Pour faire face au chômage, Omar s'est lancé dans l'artisanat afin de joindre les deux bouts. Son portrait avec Cédou Sanké, notre correspondant à Tessawa. Omar Leko est un jeune âgé de 30 ans, résident à Tissawa dans la région de Maradi. Après son admission au BEPC sans orientation, il s'engagea dans l'artisanat afin de faire face au chômage. Le jeune acquis l'art de transformer la planche, le calebasse en toutes sortes d'objets. Omar nous raconte ses débuts. Après la recette de mon BFC, j'ai fait tout pour avoir du boulot, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir ça. Bon, j'ai essayé de voir le chemin qui va me conduire pour m'en sortir. Dieu merci, j'ai commencé de faire mollo mollo ce travail, c'est-à-dire cette stratégie de la fabrication de la calebasse et le bois de plapon. Je les mélange pour avoir un but, un objectif, je les traite comme ça, comme je veux, de ma façon. J'ai fait le logo, les cartons voitures des enfants, l'armoire, etc. Le manque d'appui de la part de l'État ou des particuliers freine Omar dans ses ardeurs. Omar déclare toutefois pouvoir s'en sortir avec l'amélioration de ses productions. Mon inquiétude maintenant, je n'arrive pas à avoir des gens qui puissent m'aider à améliorer donc mon travail. Donc vraiment, j'ai lancé un appel à l'État, aux autorités locaux, aux bailleurs des fonds et autres, bonne volonté qu'ils puissent m'aider. En peine d'avoir une issue meilleure, j'en suis sûr et certain, je peux me sortir avec ça, Inch'Allah, aussi, j'ai eu un appui des matériaux ou des quelque avec cette méthode, je vais me sortir, Inch'Allah sans grand moyen, mais avec de la volonté, Omar a formé des jeunes de la même lancée qui travaillent actuellement sous sa coupe. Oui, bien sûr. Et puis donc, euh, euh, dans ce domaine, j'ai encadré beaucoup de jeunes sur ce travail et qui sont derrière moi. Approximativement, ils sont au nombre de 12. Il y a ceux que j'ai confiance vraiment à eux par exemple, même l'année passée, j'ai reçu un contrat de, j'ai un contrat, j'ai divisé ça en deux parties. Pour faire ça à temps, ils sont presque à me dépasser même. Tu vois, je peux dire tout de merci et que nous ouvrons une très bonne voie face à celle que nous trouvons ici maintenant. Lawali fait partie de ces jeunes que il témoigne. d'emboîter le pas d'Omar en vue le chômage des jeunes. C'était là le portrait de, Cédou Seydou réalisé par... Euh, pardon, c'était là le portrait de Omar Leko <laughs> réalisé par Seydou Sanki. voilà, Une autre balade en musique à chers auditeurs avec Medouk Chiché qui est de Doki. c'était Maïtoukou Shishi qui est de Doki par la troupe culturelle de Matamai. C'est le moment pour nous d'écouter le loti, n'est-ce pas, Mariam Eh oui, Fanta. Dans la chronique à des séjours, nous parlons de l'importance de ramener les enfants en vacances de temps en temps au village. On les écoute pour plus de détails. Hey! kike? Wa alaikum salam Rabibi, da dama? Alhamdulillah. Me nake ganin takardu dumtsin a gaban ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne. Yanzu lokacin hutun ƙarshen karatu kin san ko muna zuwa ƙauye. ƙauye kuma amma ke fa ina ji da sauranki tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hmm, zama a birni da yara ina ji shi ya fi komi haba ke kuma kin manta ne a ƙauye na girma a can an ka ne uwaye na ma suna cin ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu. Gaskiya ni ba zan iya ba. Yo me yasa? A ƙauye kin san akwai cututtuka da dama. Shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na. Ikon Allah, Rabi, me kike faɗa? Yau kuma dangin kiwa? Ta waya, ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci. Shi kenan daga waya sai waya. Yo, me ke so in yi kuma ban da wannan? Haba Rabi, idan kuma akwai wata sabgawa, ya kike yi? Kiran su nike, wani bi ina aika musu wani abin hannuna. Mhm. da ke a ganin ki kin hisu kenan ko sadda kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma yi mutum ya tattaka shi wurin ki kada hokki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Mhm. Lili haka ne amma wannan zan naki gaskiya sai an yi nazari aka. Dibarabi kin hosan sun yi mu yawa mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su kuma dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsari yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayansu. Ku da kan kuna iya sabawa. Hawa, bari zancen nan kin shiko? Haba Rabi, idan kina gudun cututtuka ne, ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare yan akwatin ki na magani. Ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro, ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa. wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa ɗan abinci saboda waɗanda za ni iskewa su ma in taimaka musu. Mm, Kina da gaskiya, ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni hakanan nake yi a da yaushe in na te ganin sarakaina. Eh. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane, Lili zan ɗauki shawarar ki in Allah ya yarda. Ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. dibarabi wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki, ba ke kaɗai ba ce. na sani sirri akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar. Gaskiya kam ya kamata mu canja hali. A gaskiya kin gane wannan kuma shine yake. Saboda dare da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu. <laughs> za mu gani ina za ki da yan koma tsanki. Ƙauyen dai za ni. <laughs> mai fa ba garinku ba ce a dai tunani na kenan yi ƙoƙari ki tunani. <laughs> Kina da gaskiya Lili, in Allah ya yarda, wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so ki sami yauni sosai a cikin ɗakin ki, ya kamata fa ki kai masu ki ziyara. Su kuma a ƙauye suke, kenan zaman ƙauye ya kama ki, ko kuma in ce zuwa ƙauye ya same ki. In Allah ya yarda Lili, ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin gari. Insha Allah To Allah ya kula mu. Voilà, chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Asmane China pour la culture linguistique. Bonjour China. Bonjour Fanta. Alors, quel est le mot du jour Le mot du jour euh, aujourd'hui, c'est solidarité. Alors, donc, euh, c'est un nom féminin. Il désigne la relation entre personnes qui entraînent euh, une obligation morale d'assistance mutuelle. La solidarité représente une relation d'aide entre des personnes partageant les mêmes intérêts afin de poursuivre leur objectif. C'est aussi un sentiment de responsabilité et de fraternité entre les humains, un comportement social marqué par un élan pour agir ou pour soutenir une cause qui touche l'autre. La solidarité peut prendre deux formes, celle fondée sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société, et celle fondée sur la complémentarité des activités et des fonctions des individus. On peut citer comme synonyme du mot solidarité, unité, charité, entraide. Idan mun ɗan shaida Hausa kaɗan, solidarite ana iya cewa alaka alaƙa ce da ke tsakanin mutane da ke sa su taimakawa juna. Wato wannan nauyi ne da rataya a kan mutane kasancewarsu na 'yan uwan juna. Wato don su wa juna a lokacin da wani ko wasu ke cikin wani mawuyacin hali. Wato ko dai idan ba su iya ba su da ikon taimaka musu su, su tausaya a solidarité Oui. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. harka kalangu muna jin dadin ta kwarai saboda eh, suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kura mai bisa kai ga wannan abu mai amma ita kalangu yanzu ta zo da waye kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara tana waye musu kai bisa kai ga abin da basu gane ba yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa saboda yau suna rukuwar laburuka na wurare daban-daban yanzu gani nan ina magana da wunduce yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta nijar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji yau abubuwan nan mu muna nan mana jin dadin su kuma su ƙara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci ina gaida mutanen kalangu ina yi musu fatan alheri muna gaida su kuma muna gaida rediyon mu dogon duci sunana shafa'i ya tawa gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye shiryen sa gaskiya yana birge mu yana da kyau ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirin wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Iliya malamin makaranta ne da nake sarba. E, gaskiya labarin studio Kalangu muna sauraron shiga radio Tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu. sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen na sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare a matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan sidiyo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen ɗiya, kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen ɗiya. kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu da shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in dai an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su sa su banyanar da shi kuma muna jin shi suna da dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai ayi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai waɗakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu Le programme euh, Studio Kalangu, vraiment, les gens l'apprécient beaucoup, qu'il y a des, euh, ce qu'on appelle la rénovation. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de moi-même, Fanta Chamsui et Mariam Adey, le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, nous avons Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition.